L'orphelinat Les Bons Samaritains a été créé en juillet 2002 à travers l'ONG ADN Kamna, Action pour le développement du Niger. À ce jour, nous comptons 81 enfants mineurs de 0 jusqu'à 22 ans. Donc, euh, il s'agit des enfants abandonnés, des enfants des filles mères, des enfants orphelins des pères et des mères, <coughs> des enfants des malades mentaux ou dont les parents sont incancérés, des enfants dont leurs parents sont morts des VIH, mais qui se portent bien les enfants. Donc, euh, et aussi des enfants en difficulté familiale. voici les catégories des enfants dont nous avons. <coughs> L'orphelinat eh, fonctionne à travers des dons, à travers des aides des ONG, des bonnes volontés. Et nous accueillons les enfants ici par l'ordonnance de placements d'un juge des mineurs. C'est lui qui ordonne le placement de l'enfant avec euh, une enquête sociale, basée sur une enquête sociale. Et nous hébergeons les enfants, nous les nourrissons ici, nous les scolarisons, nous prenons soin de leur santé, et en tout cas dans tous les domaines de leur vie, jusqu'à l'âge majeur. L'âge majeur est de 18 ans, mais ça dépend des cas parce qu'après 18 ans, il y a d'autres encore, selon leur histoire, qui n'ont pas une situation bien stable et nous continuons souvent jusqu'à majorité civile qui est de 21 ans. Donc, euh, après aussi, il y a d'autres qui n'atteignent pas les 18 ans, dont les conditions de vie ou familiales s'améliorent. On peut aussi les, les intégrer dans leur famille et qu'ils puissent continuer. des lois nous apportons de l'aide aussi. Donc, euh, nos difficultés sont d'abord d'ordre social, je peux dire par là, lorsqu'un enfant atteint 18 ans et qu'il n'a personne, il n'y a, pas une, famille, il n'y a pas une trace, comment on doit vraiment euh, l'insérer socialement Ça cause des problèmes parce que après 18 ans, nous sommes en Afrique et particulièrement au Niger, après 18 ans, on ne peut pas dire quelqu'un est indépendant financièrement ou bien qu'il est autonome. C'est souvent même l'âge où il faut aller au lycée c'est souvent l'âge où les plus brillants même arrivent à l'université. Donc ce n'est pas du tout facile. Donc nous rencontrons ce genre de problèmes. C'est pourquoi nous continuons souvent à garder les enfants, à les continuer à les héberger, à les aider après même les 18 ans. Nous rencontrons aussi des problèmes face à certains papiers de l'enfant comme la nationalité parce que souvent on n'a aucune trace des parents, on n'a personne. Alors que les leur acte de naissance et pour faire la nationalité, l'État exige qu'il ait un acte des parents, soit des mères ou des pères. Et souvent, qui pour nous, qui est difficile à avoir pour certaines. Donc, euh, voici un peu les difficultés que nous rencontrons face à la gestion. On rencontre aussi des difficultés émotionnelles, des difficultés aussi de gestion, parce que garder un enfant jusqu'à l'âge de 20 ans avec l'adolescence, ce n'est pas facile. Même si on a tout, pour prendre soin de lui, quand même, c'est pas facile parce que l'être humain, ce n'est pas des matériels, il est émotionnel et ça nous donne souvent des difficultés vraiment à cette gestion. Mais nous disons merci à Dieu parce que la majorité que nous avons arrive à s'en sortir. Ils sont tous scolarisés, ils vont à l'école. Quelques-uns font des, des travaux comme la couture, souvent la mécanique, ça les aide. Donc, euh, aussi certaines difficultés même passent aux besoins parce que nous sommes un centre qui vit par dedans. dons. Ce n'est pas évident que nous avons tout. Souvent, nous faisons des demandes qui n'aboutissent pas. Donc, euh, on rencontre aussi des insuffisances face à cela.